Masal jëlal licence bi la wax anam. dans le Fall. qui dégage comme il peut. Récupération des blés blancs de l'AS euh, 1. Attention, la bataille au niveau des airs. Attention, qu'est-ce qu'il va dire, Michel l'arbitre Le numéro 10 sur le milieu ce qu'il va faire. Mamalik qui va essayer de jouer son ballon. Et ballon perdu, dégagé euh, par euh, comme il peut. Et ça ne va pas euh, tromper nullement le gardien. c'est une sorte de but. Mesdames et messieurs, le match est venu de démarrer. tout d'abord donné par l'AIC par 1. Première sortie de but euh, à faveur euh, de l'AIC Entente de Lignon. Pablo de Fall qui dégage le premier ballon récupéré par euh, Sal qui va décaler Mamalik. Mamalik au niveau du milieu, qu'est-ce qu'il va faire Il va se trouver un partenaire, il ne va pas trouver. Attention la profondeur de Bip. Pépé est là, heureusement, pour dégager. au niveau des airs. Euh, attention, ballon dans les pieds des rouges noirs. Euh, attention, qu'est-ce qu'il va donner Rouge et blanc, on voir. Et c'est une sorte de pouce en faveur de entendre Entente de Lignon. Première euh, touche euh, du match qui euh, devra être effectuée par euh, Hassan Gaï C'est parti, euh, la touche est euh, jouée rapidement de la part d'Hassan le rangement des bleus et blancs. Attention, la bataille du désert des airs. Une qui va se jeter super. terre. Bien dit Michel Hardy. Sinon, c'est tout cette touche en faveur des bleus et blancs. c'est bien messieurs, nous vous rappelons que l'espoir des le monde vraiment aujourd'hui pour ce match pour la deuxième journée. on va voir un coup de de l'AIC Atan de Pléniano. Va prendre le dessus euh, sur ce match très intéressant. Vraiment, ces deux IC se connaissent très bien. Euh, vu euh, les cinq dernières années, ils se sont rencontrés euh, fois et en tant que Bleu a éliminé deux fois cet AIC sur le premier, c'est en quart de finale. Le deuxième, en finale. C'est euh, aussi. La même chose, puisqu'il a, euh, a euh, battu l'AC Entente en demi-finale et en finale. Donc, ces deux essais se connaissent très bien. Voilà, euh, la match s'anime davantage. C'est une sortie de but en faveur de l'AC Entente de l'Union. Robert de Parle, qui va pouvoir dégager ce ballon. Vous avez entendu l'ambiance euh, en faveur euh, des supporters de l'AC Entente de Bleu C'est une sorte de pouce en faveur euh, des Bleus et Blancs de l'AC et Puisque va être joué par on va voir ce que ça va donner. On est à la cinquième minute de jeu et toujours la score est de 0 8 partout en faveur de ces deux formations. Attention à la bataille entre Nglo Kanté et euh, Alun Gaï, Sinon, le désigne Michel l'arbitre, euh, c'est une sorte de corner. Premier corner du match, euh, mesdames et messieurs. Première corner du match, vraiment, en faveur de l'IC PAL 1. On va voir ce que ça va donner. Ce premier coup de pied arrêté. Et c'est parti, tiré par Dibi. Et c'est tranquillement dans les... Oh, c'est mal ajusté par Pablo de il a mal capté ce ballon. Sinon, le ballon va ressortir en corner. On va voir euh, rapidement jouer par Dibi. Attention, peut-être centre de qui Yoko. et contrer encore. Toujours, euh, c'est une sorte de push en faveur des bleus blancs de l'AC. E, euh, de l'AC, balle 2, balle 1, temps pour moi. Dibi qui met dans la boîte. et il a, il a tout joué ce ballon. Sinon, ça va finir en touche. Touche en faveur de en de bleu C'est l'arrivée des supporters de l'ICPAL E. Depuis un certain moment, c'était euh, l'IC Entente de Bleu qui animait les stades. mais à l'instant, euh, les supporters de l'IC euh, sont arrivés avec euh, vraiment leur tam-tam. on va, avoir, aujourd'hui euh, une ambiance très intéressante au niveau de l'estade municipal de Gaïa. Cette salle est pleine de monde pour ceux qui nous de près ou de loin. Le score est toujours 0 but partout. On est à la 7 minute de jeu en euh, faveur de ces deux formations. Et c'est une touche euh, qui va être jouée par euh, le joueur de l'AC Attente Bleu Dorno. Et le plus arbitrage, c'est Chernia qui est l'assistant central. L'instant 1, Maud Diop et l'instant 2, on a euh, euh, Galgaï, Madame Bagaï. C'est ça les, les, tru, les trios euh, arbitrage. On va voir euh, ce premier coup, de pied arrêté en faveur de l'ASR de Bleu Diop, ce que ça va donner. Attention, c'est rapidement joué. Assembly peut-être, euh, ils n'ont pas trouver euh, la, tromper la vigilance des défenseurs. Récupéré par Didi. Rapidement joué. Alun Diaye. Alun Gomor, de gauche, qui va faire Attention, récupéré par Didi. Et c'est perdu. Le ballon qui va finir dans les pieds des rouges et, noirs, euh, rouges et blancs de la Sardane Bleu Attention, York qui va euh, passer un. Et on va voir ce que ça va donner. Pépé qui est dans son course. Et il va laisser tranquillement le ballon dans les pieds de, du portier Pablo de Fall. De il essaie de un partenaire. Il n'a pas encore vu, Il a préféré garder ce ballon. Il va trouver Hassan Diaye peut-être Non, euh, Hassan, le ballon est trop long pour lui. Et c'est parti. Attention, rapidement joué. Dibi. Dibi devant lui, il y a deux adversaires. Et le ballon est sorti. Sorti à 5,50. Heureusement pour euh, l'ancien de Bleu Diorno. Sinon, euh, s'il avait ajusté son centre, ça pourrait faire mouche. Attention, Rapidement joué par salle, salle qui va trouver son numéro 2. Attention, le 1-2. Et il va marcher sur le ballon. Et York Diop devant lui. Il a parlé avec son, son partenaire. Récupère par et la profondeur pour qui euh, Fall. Oumadio Fall. Il a imposé deux jeux. Position deux jeu en faveur euh, de Fall. Il n'était pas euh, dans sa bonne position. Sinon, la, la défense avait bien pris vraiment ses responsabilités. waaw gaañi match baa ngi noonu ndeysaan ñaari naataango yi ñoo ngi noonu di jongante match bi démarré na am na juróom-ñetti minute ñoom ñaar ñëpp kenn dugulugul dara bu leen di dugulugul dara paas dugulugul dara waaye match baa ngi noonu neex na supporters yi noonu ndeysaan waa bu leen di saako leen ñëw yëngal waaye waa a nga noonu ñëw ak ay tama ndeysaan ñaari équipe yaa ngi noonu équipe yu xamante nañu ndeysaan waaw ñoo ngi noonu Sall mbëkk na ba

C'est qui au niveau des pieds du numéro 15 qui va récupérer la ballon. Yorko Diop, Yorko Diop qui, est à qui a deux adversaires devant lui et il va obtenir une faute. Et c'est normal, bien vu par, euh, par euh, l'assistant central, M. Chef Gagnon. C'est sous les. Mira pro. Claro, vamos nada. Mira, va a ir un lugar, un lugar, un lugar, Ela é vamos lá Ela é muito solo. Ça va donner. Et c'est frappé, et c'est mal frappé. Sinon, euh, c'est repoussé par le barrage. La bataille toujours par les blés blancs. Attention, aussi ça peut être contre Alingaï. Alingaï qui préfère jouer avec, euh, avec euh, qui va décaler Yoko Diop. Yoko Diop qui veut rapidement faire la passe, c'est pas passé. Attention, le ballon toujours au niveau du milieu de terrain. La bataille, sale, sale qui va décaler et c'est une faute, estime c'est ça va gars il va Mbaye peut-être Aly va devant il va passer près de la frappe de qui a de été et c'était un centre-tir sinon c'était mal ajusté c'était une passe vraiment mal ajustée de la part de sinon c'était une occasion très sage pour lui mais il a préféré jouer la passe malheureusement pour lui il n'avait pas son partenaire devant lui attention contre attaque favorable deux de attention et là, vous va dire quoi et c'est une faute. Peut-être qu'il va récolter cette première carte du match. il est là. Il passe ballon peut-être que nous là, là, heureusement que euh, euh, Timo était bien, bien sorti. Belle sortie de Timo je parle euh, le portier de laisser de laisser par le qui va dégager ce ballon de La bataille au niveau des airs, c'est dans les pieds des rouges et, des rouges et blancs. qui va jouer rapidement ce ballon. La tête de Yokofal, attention peut-être le contre-attaque favorable. La contre et c'est parti. Et ce que ça va donner, rapidement joué dans les pieds de qui toujours. Yoko qui se bat. bien joué de sa part et c'est

civisme waaw am na yokkute am na yokkute parce que boo xoolee 2012 bi ñu commencé y avait un problème parce que suñu débuté woon football comme Colanta mais bu ñu demee ba ci biir demoon ñu demi-finale ñoom parce que ñoo mujj woon am licence ñu mën ci football maintenant léegi nag mënuñu commencé équipe bu nekk am na am licence donc on avance am na avance bu rëy ku xool nawetaan 2012 gars yi ak nawetaan day xam ne changé na bu baax a baax a baax école bi nationale Baye. waaw fi ma toll nii maa ngi ci ASC bi ak mais 11 ASC ñooy participé donc ñu koy jël aussi fekkoon nañ fi sept ASC léegi am na yeneen sept six ASC yu si yokk maanaam conditions vraiment de yokk quoi parce que loo xam ne si chaque année yaa ngi gis ay ay sa dafa gën a formé wu donc bu amul woon avancement def naa ne ñu gën sawar ko bokk ci ñu am quoi. Son bi moom nan lay allah Voilà, on a des équipes 2,6 eigenlijk. We liggen aan 10 eigenlijk nog een même som. Jij de gemeente niet, donc ja, en dat was. Seulement, je wordt dat je papa lekker smijt, je moet zo hier. Maar ik heb hem niet meer maatregelen. moom góorgóorlu si loolu bu fekkee rek subvention boobu ñëw ñu gën a gaaw rek ñu gën a baax kon mais équipe yëpp chaque année ay si am problème problème seulement dana am quelques problèmes yoo xam ne si par rapport aussi ñu jàpp yenn changement mais depuis l'année passée à chaque fois bu amee ay dégâts wala ay xeet yi bon zone bi dañ jël ay initiative waaye ba mu génn nekk xam nga lu lay xaar parce que tey règlement mu ngi fi képp koo xam ne jaww ji dinañ jàpp bu baax a baax ba jox ko ba na sax ci bu nekk xam nga donc je pense que euh, mën nañu am yaakaar ci violence di wax ne rek euh, comme nawetaan bi si amuñu sécurité amuñu dara ñii ñoo war a jàpp quoi ñu xam ni euh, à chaque fois bu fekkee dafa am benn porter la sécurité ñu fexe ñu suñu biir ñun gars yi gars yi ñu génn gérer de telle sorte que kenn amul ko def dara loo xam ne fii léegi lan mooy sa problème ASC yoo xam ne ñu jéngi di représenté gars yi parce que ñu ci ñu depuis ngeen commencé defal léegi amuñu résultat yu ñu lan mooy problème ASC problème bi moom bu si njëkk mooy moyen dafa départemental dafa laaj moyen beaucoup des moyens parce que da toog fii laaj ñu génn dem ba ngeen dëkk pas déplacement bi rek dèjà euh, problème la en plus équipe aussi le niveau du jeu dafa des moo tax dama leen doon ne leen départemental la ñu ko déglu gars yi bu demee ba équipe qualifiée ñu toog table loolu léeg ñëpp ñu taxaw waxtaan si xam nga jéem wut bu baax yëpp football présenté gars yi mais mooy loolu ku nekk day bañ ni jóoram koy football tant que ñu ngi def moom dafa naan dañuy dem rek am ñaari match ñetti match jël mais tant que dana suñu ko bii toogaat waxtaan xool bi sélection gars yi yóbbu ñu def benn tànk say dem mu def ñu taam mu bëgg xam nga mais quand même ñu ngi salué parce que kuréel bi daal dañ ko aussi ba dafa donc c'était donc loolu t k o s bu gaa yi ñu si Abdoulaye Fall ñaanal leen dégg ngeen dina waxtaan bi am solo ngeen dina dégg ngeen